le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamkou Auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangou, bienvenue dans le Forum de la presse. Le Forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité de la semaine marquée par la réunion jeudi du Conseil national du dialogue politique CNDP boycotté par l'opposition politique. Une réunion sur le processus électoral à venir au Niger. Autre sujet, c'est le retour du Niger dans l'initiative pour la transparence dans les industries extractives après son retrait en 2017. Sur le continent, l'actualité est dominée depuis des semaines par la victoire de Félix euh, qui ce dit à l'élection présidentielle congolaise, faisant de lui le cinquième président de ce pays continent, la République démocratique du Congo. En sport, le Niger s'apprête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football Cannes U20, les moins de 20 ans, le 2 février prochain, mercredi passé à Niamey, l'équipe du Niger a battu celle du Ghana par un score de 2 buts à 0 en match amical. Pour développer ces sujets, nous avons le, plaisir de recevoir aujourd'hui Ousseini Issa, journaliste indépendant. Ousseini, bonsoir. Bonsoir. Sidik Ali, analyste politique. Sidik, bonsoir. Bonsoir. Et Rufai Dandoua, également journaliste indépendant. Rufai, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir bien voulu participer à cette émission. Au micro, Alassane Kouzi Mohamedou. Bienvenue à tous dans le forum de la presse que nous ouvrons par la réunion hier, hier matin du Conseil national du dialogue politique CNDP présidé par le Premier ministre Brigitte Raffini. À l'ordre du jour, adoption des travaux du comité ad hoc chargé de réviser certains articles du Code électoral, entre autres, suivant à cet effet euh, le Premier ministre Brigitte Raffini qui s'est dit satisfait de la conduite euh, du processus même s'il regrette l'absence de l'opposition. Le comité a travaillé durant quatre semaines et comporté l'ensemble des groupes. À l'issue de leurs euh, travaux, les membres ont élaboré et adopté un rapport qu'ils nous ont soumis. Le comité a également examiné et adopté la proposition de règlement intérieur qui va faire l'objet de votre attention au cours de la présente session. Il est vrai que le comité a travaillé de manière inclusive jusqu'à pratiquement à la fin de ses travaux, intervenu une suspension d'un groupe, celui de l'opposition. Il y a eu des moments de convergence extraordinaires pendant qu'ils étaient au complet. Nous n'avons pas souhaité que ce groupe euh, quitte le comité et je pense que nous pouvons cette fois-ci, malgré tout ce qu'on dit, considérer que ce projet que nous allons adopter a effectivement requis l'avis de toutes les parties prenantes. Euh, Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement. Alors, euh, notez que la veille de cette rencontre, l'opposition réunie au sein du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République FRDDR et le Front patriotique euh, a déjà annoncé qu'elle boycottera cette réunion. Les principaux points de désaccord sont les articles 12, 80 et 81. Je vous propose d'écouter Shaibou Maman, Mambar, membre du FRDDR. L'opposition politique nigérienne annonce ici et de façon solennelle qu'elle ne participera pas à la prochaine réunion du CNDP. Les délibérations de cet organe, ainsi que les suites à donner par le gouvernement, l'Assemblée nationale et même la Cour constitutionnelle, étant déjà prononcées par le candidat Bazoum, L'opposition ne fera donc pas de la figuration pour légitimer une telle farce. En accusant l'opposition de faire une fixation sur le seul article 8 du Code électoral, le parti État veut simplement détourner le débat des sujets hautement stratégiques en matière électorale, en l'occurrence la composition et l'indépendance totale de la CENI. L'opposition politique nigérienne réaffirme et prend à témoin l'opinion nationale et internationale que les points de désaccord Reste et demeure par ailleurs les articles 12, 80 et 81 que le pouvoir fait sciemment d'occulter. Cheibou Maman, membre du FRDDR que vous venez d'écouter, euh, déclaration faite la veille même de la réunion du CNDP, soit mercredi passé. Alors je m'en vais tout de suite commencer par ma droite, euh, Rufai Dandoua. Quel commentaire vous suscite euh, euh, ces deux interventions, celle du Premier ministre d'abord, qui avait présidé euh, donc cette réunion du CNDP, et celle de l'opposition, qui avait annoncé déjà qu'elle boycottera euh, cette rencontre, finalement boycottée d'ailleurs. Merci, et, je pense qu'au-delà des interventions, et sur un plan général, il faut, faut dire que la situation telle qu'elle se dessine au Niger, et on a comme l'impression qu'on tend vers euh, une situation qui sera tendue à la veille des élections ou pendant même les élections. Pourquoi je dis ça D'un côté, on a le pouvoir qui est là, qui pense euh, avoir euh, raison, surtout de l'autre. Il y a l'opposition qui pense que c'est le contraire. Pourquoi Parce que moi, mon problème avec ce qui se passe actuellement, c'est le manque de stratégie même de l'opposition euh, politique au Niger. J'ai comme l'impression, comme dirait l'autre, c'est l'opposition aujourd'hui, c'est un grand corps malade au Niger. Pourquoi Parce qu'ils n'ont aucune stratégie. Quand vous entendez l'opposition au Niger, c'est lorsque peut-être il, il y, a, le CNDP, ils sortent la veille, ils parlent et c'est fini on ne va plus les entendre. Il faut peut-être un anniversaire d'un parti politique ou, eh, ou quelque chose comme ça pour, pour les entendre. Or, une opposition, ce n'est pas cela. Une opposition doit être active, elle doit être eh, aux aguets à chaque fois qu'il y a quelque chose, un événement d'une importance euh, nationale, l'opposition sort pour eh, apprécier ou, ou critiquer cela. Ce n'est pas le cas Aujourd'hui, eh, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce voit aujourd'hui On voit une, euh, opposition euh, qui, se cherche du jour au lendemain. Il n'y a plus le chef de file de l'opposition qui n'est pas là. On ne sait pas qui est à la tête. Et aujourd'hui, ils sont en train de, s'agripper derrière le parti MPN Kishinkasa, qui aussi se cherche pourquoi se cherche Parce qu'elle s'est dit que le, terrain est, vide, la nature a horreur du vide, maintenant elle veut prendre la place pour s'accaparer. Or, Donc pour vous, l'opposition manque de stratégie, c'est ça, résumé ça, Je, l'avais dit. Donc je, je l'explique. J'explique pourquoi elle manque de stratégie. Donc, vous voyez, quand vous prenez par exemple le parti de l'ancien président Momon Ousmane, on ne sait même pas où est ce parti, il existe ou pas. Bref, quand vous prenez toute l'opposition dans son ensemble, aujourd'hui, on ne sait même pas ce qu'ils veulent. Ils s'agrippent juste derrière eh, cette histoire du CNDP quand elle se présente, ou cette histoire de ces, articles qui coincent. Or, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le problème aujourd'hui, c'est ce fameux article 8. Et tu as comme l'impression que cette opposition est, est prise en otage par cet, par par le fait que. nous, allons, donner la parole aux autres. Par le fait que, le candidat de, de ne sera pas candidat aux élections présidentielles. Bien. Euh, Sidi Kali, vous avez écouté ces deux interventions. Euh, donc, euh, relativement à cette rencontre, cette réunion euh, du Conseil national du dialogue politique qui avait adopté d'ailleurs euh, travaux, les travaux du comité ad hoc chargé de réviser certains articles qui faisaient depuis un certain moment euh, l'objet euh, de contradictions et de positions entre les deux, les deux bords. bon, moi, l'impression que j'ai, franchement, c'est que on a vraiment comme l'impression que nous avons en face de nous juste une classe de politiciens qui fait vraiment, en tout cas, de ce débat politique lié à la révision des textes fondamentaux du, code électoral, vraiment sa préoccupation exclusive, c'est-à-dire son affaire à elle. cela montre aussi que le peuple nigérien dans son ensemble, les acteurs vraiment, les autres acteurs qui ne sont pas vraiment négligeables, ne sont pas du tout associés. Et ces politiciens sortent euh, pour se faire entendre selon qu'ils sont contents ou qu'ils sont vraiment, en tout cas, euh, mal à l'aise. Mm. Donc, il y a une sorte de communication euh, malsaine euh, à laquelle nous assistons depuis un certain moment, d'ailleurs, surtout du côté du pouvoir. J'ai comme l'impression que on lâche un peu du lest, on fait appel à l'opposition, on se met autour d'une table, on commence maintenant à faire un débat, un débat plus ou moins sérieux. Après, par la suite, d'autres acteurs qui sont dans le même pouvoir sortent faire une communication qui tranche avec l'esprit vraiment de dialogue euh, qu'on euh, brandit, c'est-à-dire qu'on met en avant vraiment en tout cas autour de la table. il y a une certaine incohérence. D'un côté, il y a des radicaux qui sont en train de développer un discours totalement, vraiment, en tout cas, en déphasage avec les prédispositions de ceux qui participent à la réunion. Mm-hmm. Mais aussi, de ce côté, aussi, il y a un premier ministre qui sort, qui veut être vraiment le sage, qui veut être vraiment, en tout cas, un peu le conciliateur, qui cherche à tout prix vraiment le consensus. Alors, il va falloir que, vraiment, en tout cas, du côté du pouvoir, qu'il y ait vraiment, en tout cas, une certaine, vraiment, en tout cas, identité de point de vue. C'est-à-dire qu'il y ait vraiment, en tout cas, une certaine, euh, vraiment, euh, cohérence dans la démarche. De l'autre côté, ce que je retiens aussi, c'est vrai, l'opposition à un moment donné, c'était l'article 8. Après, j'ai comme l'impression qu'ils ont dépassé cet article. Maintenant, nous sommes à l'article 12, 80 et 81. alors, à la veille, au moment où les Nigériens s'attendent à ce que vraiment quelque chose de, de, de, sérieux vraiment sorte, et ils sortent pour dire qu'ils ne vont pas participer aux travaux euh, finaux, vraiment en tout cas euh, sur euh, vraiment la, révision du Qu'est-ce qu'on peut retenir Il n'y a rien de sérieux en réalité dans cette affaire-là. Dans tous les cas, nous sommes conscients qu'il y a une seule chose. Le pouvoir ne veut pas lâcher le pouvoir. L'opposition n'est pas prête à assumer encore une traversée du désert. Donc chacun cherche le pouvoir et pour cela, là, ils sont tous déterminés et ils ne voient que le chaos. Et nous, maintenant, les Nigériens, ce qu'on comprend, c'est quoi aujourd'hui Ces gens-là, ils ne sont pas là pour l'intérêt de ce pays. Bien. Euh, Rufai, désolé, non, désolé, non, non, désolé, juste, dire... va parler d'abord, ensuite on te donnera la parole pour réagir. Pour ne pas oublier, juste, je voulais dire, à, quand, quand se dit qu'il y a une incohérence, je pense qu'il n'y a pas une, incohérence dans, dans, dans, dans, la communication, dans, la communication du, gouvernement. D'un côté, il y a le Premier ministre qui est chef du gouvernement, qui est le président du CNDP. Mm. Lui, il vient en tant que président, mm. pas le président seulement du, du, PNDS, mais du, du CNDP, de l'autre côté, le PNS, par exemple, quand il sort, maintenant, ils ont eux aussi leur, euh, et leur doléance. Ils la mettent sur la table. Je pense que ce n'est pas une cohérence, c'est une stratégie. Bien. Euh, Nissa, vous avez suivi en tout cas les interventions d'abord euh, qu'on avait écoutées. Ensuite, vous avez suivi euh, nos confrères sur cette question de, de, la réunion du Conseil national du dialogue politique, finalement, qui s'est terminée par une queue de poisson. poisson. Non, mais Alassane. Moi, je ne vois même pas l'utilité de convoquer cette réunion de CNDP-là. Parce que l'esprit et la lettre du CNDP, c'est la recherche de consensus. Sur toute question politique ou question nationale, engageant les acteurs politiques. Quand un camp fait du CNDP son affaire, je ne vois pas l'utilité quand on ne veut pas, parce que quand il n'y a pas l'esprit de consensus aujourd'hui dans les travaux, le comité paritaire qui a été mis en place, les opposants ont décidé de boycotter parce que tout simplement, il n'y a pas d'entente. Et à chaque fois, bon, Cédric vient de le dire, on brandit uniquement l'article 8. Alors qu'il y a d'autres articles, l'article 12, l'article, c'est des articles qui concernent la CENI, qui concernent les, les des bureaux de vote. Juste pour rappel, euh, l'article 8 est relatif euh, notamment à l'éligibilité. c'est cet article qui interdit à toute personne qui aura été condamnée. Mais justement, mais euh, quand l'argumentaire, l'argumentaire qui a été développé par les opposants, mais même l'inéligibilité, c'est quand ils ont senti que le juge a condamné le candidat et comme on avait dit, le candidat gênant, c'est à ce moment qu'ils ils étaient sur la logique de trois ans. Mm. C'est à ce moment qu'ils sont revenus, ils ont fait machine arrière pour dire c'est un an. Tout ça, ce n'est pas, pas sérieux. En matière de démocratie, là, il faut admettre que moi, je peux être candidat indépendant, sans parti politique. Je suis citoyen, je joue de mes droits civiques et politiques. Je peux me présenter, je peux aller battre campagne pour moi-même il ne faut pas considérer que c'est l'affaire de des seuls partis. Et on a comme l'impression que dans ces pays, la, candidature indépendante, là, ça n'existe pas. Mm. Le cheminement dans lequel on est, c'est que on va droit dans le mur. Et ce n'est pas, pas souhaitable pour notre pays. On n'a pas besoin de, de, de situation de classe dans un pays classé dernier ah. dans l'indice de développement. Alors, ce code est quand même. la révision était adoptée. Quand le euh, ministre, avec qui les, opposants, les non-affiliés n'étaient pas là. Ils ont décidé de quitter parce qu'il n'y avait pas d'entente sur les 4 ou 5 mois. Il fallait trouver la juste mesure. À ce moment, ils vont venir valider. Mais pourquoi ils vont aller s'asseoir dans une réunion de CNDP pour dire ils sont là et, ils vont valider, ils vont dire c'est en présence de tout le monde qu'on a fait le travail. Aujourd'hui, moi, je préfère qu'on dise, CNDP là, qu'on dise réunion de la MRN, la, mouvance pour la Réunion. Euh, mais, bien sûr, mais quand c'est un seul, un seul camp qui va à la réunion et on valide des actes, ça n'a aucun sens. Au vu, de ce qui se passe, alors est-ce qu'on peut, euh, on peut, pas, on peut parler d'inclusivité, euh, en tout cas des, sur cette question de révision. Moi, moi je suis d'accord avec ce que Hussein a dit quand il dit que lorsque l'opposition. Oui, lorsque l'opposition va venir, on va dire qu'elle que a, a, cautionné et toute la révision qui a été faite. Mais le problème, c'est quoi en Afrique Qu'est-ce qu'on constate Même quand vous ne venez pas, ça va passer comme l'être à la poste. Rien ne va se passer. Regardez, sûrement, on va revenir sur euh, l'histoire de, de, RDC. Ah, le problème en Afrique, c'est que même si tu es mal élu, même si tu n'as pas été élu, dès l'instant où, tu es investi président, après, rien ne se passe. C'est comme euh, si ça a été posté, et la lettre a été postée à la, à la poste et, rien ne se passe et on continue. donc, donc euh, la politique de la chaise vide qu'on voit euh, le plus souvent en Afrique, je pense aussi qu'il faut changer de stratégie. Peut-être qu'en venant et en soulevant le problème, en discutant quitte à ce que lorsque vous êtes là après, vous quittez, je pense que c'est mieux qu'il de ne pas venir. Euh, Sidi Kali, euh, l'opposition aura euh, intérêt, aura été, en tout cas, aura eu l'intérêt de, rester Vous avez parlé de l'inclusivité tout à l'heure. Oui. Vous savez, le mot là ne convient pas à cette situation aujourd'hui du, du, CNDP dans sa forme actuelle. Parce que nous avons seulement deux forces qui sont en présence l'opposition et le pouvoir. Hmm. L'inclusivité, c'est quand il y a tous les acteurs, à mon avis, qui sont susceptibles quand même de se prononcer sur la marche de la République. Est-ce à dire alors que le, problème est à D'abord, il n'y a pas d'inclusivité. C'est-à-dire que c'est une classe politique qui est répartie en opposition et en pouvoir, qui est en train aujourd'hui, vraiment en tout cas, de sonner nos nerfs qui est en train de malmener le destin de ce pays. Et il ne faut pas parler d'inclusivité dans ces cas de figure. Moi, tout à l'heure, euh, la question que vous avez, euh, que vous avez posée et que je n'ai pas pu achever, moi, je, pense qu'il euh, il y a une chose qu'il faut tenir compte. D'abord, c'est l'intérêt de ce pays-là. Mhm. J'ai comme l'impression que, et du côté du pouvoir et du côté de l'opposition, les dés sont pipés. C'est-à-dire qu'il y a un jeu qui est déjà déterminé que personne ne veut dévoiler. Par exemple, du côté du pouvoir, quel que soit Alpha, quel que soit le cas de figure, même si l'opposition ne participe pas dans tous les cas, il y aura des taxes qui vont régir le jeu électoral futur. Même si l'opposition n'a pas participé aux élections, il y aura des élections. Même si l'opposition ne participera pas aux élections, il y aura un président de la République. Même s'il est mal élu, dans tous les cas, il va gouverner. qu'il l'a fait e hier. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique en Afrique où... Tu, Vous rejoignez ce que dit... Non, non, c'est-à-dire que, euh, laissez-moi mon mot, c'est-à-dire que c'est vraiment un slogan qui est aujourd'hui partout dans toutes les bouches, qui perd gagne. Qui perd gagne. Voilà. Euh, vous perdez, vous gagnez. Avec ce que dit, vous avez vu. Hussein nous allons revenir justement euh, d'ici la fin de cette émission sur ce cas, en tout cas sur cette élection en RDC Congo. Hussein vous avez quelque chose à ajouter, sinon nous passons au second sujet. Ce, que je veux dire, je ne peux qu'appuyer Cédric. Il n'y a pas d'élection chez nous dans nos pays. Il n'y a pas d'élection. C'est faux, c'est faux. Il suffit simplement, vous allez venir, vous allez structurer, bourrer les urnes. On va vous déclarer avec. Il faut une justice. Il faut une justice, il faut des institutions indépendantes pour qu'il y ait des élections dans nos pays. Hmm. Malheureusement, il n'y en a pas. Dans tous nos pays africains, il n'y a pas de justice indépendante où on a une instrumentalisation des juges. Ça fait que les choses sont biaisées. Bien, je le disais en début au euh, sein euh, de ce forum, le retour du Niger dans l'initiative pour la transparence dans les industries extractives annoncée cette semaine, c'était à l'occasion d'une conférence sur les ressources naturelles tenue au Palais des Congrès à Niamey. Pour rappel, le Niger a quitté l'ITUE en novembre 2017. Suivant euh, d'ailleurs le ministre des Mines, Hassan Barazi Moussa, sur les raisons du retour du Niger ainsi que sur les enjeux auxquels le pays doit s'attaquer. Le Niger a choisi de quitter l'ITUE le 1 ministre l'a dit, en toute responsabilité. Le Niger a choisi de revenir également dans l'UTIE en toute responsabilité. Et les raisons qui ont motivé le Niger à revenir, vous l'avez vu, le Niger a été trois ans seulement après la création de l'UTU en 2005, leader de l'UTU et nous sommes revenus à l'ITIE parce qu'il y a une mission de haut niveau des responsables de l'ITIE qui sont venus au Niger présenter pratiquement leurs excuses pour dire qu'ils ont été trompés, ils n'étaient pas du tout bien informés et qu'ils présentent leurs excuses et qu'ils invitent le gouvernement nigérien à reprendre sa place à l'ITIE parce que tout simplement le Niger a été leader. Le gouvernement a examiné la question avec l'appui de certains partenaires tels que la Banque mondiale, l'Union européenne, etc., qui nous ont encouragés à retourner et donc le Niger a pris la décision de revenir euh, à l'étude. Le premier enjeu, c'est le défi de la recherche, la recherche géologique, aussi bien dans le domaine du pétrole que dans le domaine euh, euh, minier. Et je pense qu'il y a un projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est en train d'être mis en œuvre, qui sera financé par la Banque mondiale, pour que nous reçons notre taux de connaissance géologique de 12,5% à plus de 50%, ce qui va nous permettre de mieux connaître nos sous-sols et de mieux négocier nos contrats. Le deuxième euh, enjeu c'est l'encadrement de l'orpaillage. C'est un défi majeur pour nous. L'artisanat minier, l'orpaillage, s'il est bien encadré, s'il est bien intégré à l'économie, peut permettre à l'État d'engager des ressources considérables. Et enfin, le troisième enjeu, c'est l'énergie. Tant que nous n'avons pas de l'énergie, nous ne pouvons pas industrialiser notre pays et le secteur minier ne peut pas se développer. C'est un facteur très important et je pense que le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts pour que l'énergie soit au service du secteur minier. Voilà, vous venez d'écouter le ministre des Mines, Hassan Barazé Moussa. Alors, Ouseni, euh, vous avez la parole. Euh, que pensez-vous des raisons évoquées par le ministre des Mines Je veux dire, franchement, c'est un dossier que je connais, c'est un processus que je connais en tant que euh, membre du ROTAP, les réseaux des organisations pour la transparence dans les industries extractives. Ces réseaux-là ne tiennent pas. Quand ils ont décidé, c'est sur un coup de tête, ils ont décidé de quitter l'initiative qui a été qui a débuté euh, sous la Ve République. Et c'était quoi C'était tout simplement que au niveau international, on a considéré que le n'a pas fait beaucoup d'efforts en matière de transparence dans la gestion des industries extractives. J'ai lu un peu ce qui a été publié dans le Sahel et le discours du Premier ministre. Il dit qu'il y a la publication des, des, recettes désagrégées dans le journal officiel. Mm-hmm. Malheureusement, allez-y au niveau du journal officiel. Vous n'allez jamais voir. Même les clauses, les conventions qui sont signées, on ne les publie pas. Le Rotab a fait beaucoup de bruit autour de ces questions-là. Et jusqu'à, jusqu'au départ du Niger de l'UTIE, il n'y a pas eu de publication d'un seul contrat dans, sa, dans ces détails. Mais peut-être avec ce, retour, ces contrats vont être publiés. Non, mais bon, bien entendu, il y a, il y a eu, il y a eu quelque part euh, un peu une pression extérieure notamment l'Union européenne, qui est quand même un grand partenaire du Niger, la Banque mondiale aussi. Ce, n'est pas comme ça. Ils ont décidé de quitter parce qu'ils ont considéré que c'est une humiliation de la part hmm. d'une de, organisation internationale comme l'UTE qui, qui n'est pas seulement le Niger, en tout cas qui compte beaucoup de pays, y hmm. compris des pays occidentaux. Hmm. On veut de la transparence dans la gestion des ressources. Parce que malheureusement, c'est ça qui manque et c'est ça qui fait que aujourd'hui on est dans une situation où on ne peut même pas assurer la qualité de l'école, on ne peut pas assurer la qualité de la santé. On a du pétrole aujourd'hui. On, le pétrole depuis 2011. L'uranium, après 50 ans d'exploitation, on en est où Il faut bien qu'il y ait la transparence pour que les gens puissent lire qu'est-ce qu'on fait avec ces ressources-là qui sont exploitées par des multinationales. Aujourd'hui, le pétrole, on a comme l'impression les Chinois sont là-dessus. Ils en font ce qu'ils veulent, ils exploitent. On est en train de vouloir faire un, machin des oléidiques qui vont passer, un machin pour euh, exporter. Pour transporter le, brut. On ne sait pas dans quelles conditions, dans quel contexte tout ça, ça va, va se passer. C'est ça les enjeux. Et il faut mm. bien que les citoyens soient impliqués, parce que ça appartient à tout le monde. Ça n'appartient pas à une classe politique. Bien. Et Sidi Kali, vous avez écouté le ministre, vous avez écouté l'intervention de notre confrère Hussein euh, Issa. Euh, est-ce qu'avec ce retour du Niger d'Alitué qu'il a quitté euh, en 2017, est-ce qu'on euh, peut garder espoir comme quoi le secteur minier va désormais, en tout cas, devenir réluisant dorénavant et la transparence sera au rendez-vous. <coughs> Ça, c'est au gouvernement de répondre. Ce n'est pas à moi de répondre. Mais moi, ce que est sûr, je peux donner mon opinion quand même sur le sens du mot transparence. Le mot transparence a beaucoup de connotations. Eh bien, quand eh, vous décidez de façon consciente et volontaire de souscrire à un engagement extérieur, ce n'est pas seulement au niveau de l'ITU, que ce soit au niveau d'Amnesty International, que ce soit au niveau de Reporters sans frontières, que ce soit autre là, c'est-à-dire que vous garantissez la liberté de presse ici, vous garantissez le droit à ceci, là, par là, mm. c'est qu'il y a des avantages, mais aussi il y a des obligations. Mm. Et les obligations, le plus souvent, c'est quoi Vous êtes tenu d'être transparent, par exemple, en ce qui concerne vraiment, en tout cas, euh, l'exploitation de mm. On vous demande tout simplement d'être transparent, non seulement par rapport aux différents contrats que vous déterminez avec vos partenaires, mm. mais aussi les quantités et l'exploitation. Ce n'est pas seulement adressé au, pouvoir, hein, à l'État du Niger, mais c'est aussi adressé aux différents partenaires de l'État du Niger. Maintenant, le mal, c'est que le problème, c'est que personne il n'y a pas seulement que le Niger, il y a aussi c'est un phénomène qui est en train de gangréner aujourd'hui l'environnement international. Personne ne veut être euh, transparent. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, des grandes firmes qui exploitent le pétrole, des grandes sociétés qui exploitent les mines, des grandes sociétés qui exploitent vraiment, en tout cas, des ressources naturelles. Personne n'a intérêt et ils ne veulent pas être transparents. Parce que, quelque part, c'est un domaine dans lequel toutes les affaires juteuses, les affaires scabreuses, les affaires opaques se développent là-bas. Et les gouvernants et les acteurs économiques qui sont venus pour vraiment, en tout cas, siphonner ces richesses, personne ne veut assez que ça soit connu. Regardez par exemple la question de l'uranium. Des indépendants jusqu'à nos jours. On nous dit que l'uranium ne participe qu'à 5% seulement au budget, au, PIB national. Voyez-vous Mais c'est ahurissant, c'est vraiment honteux. Mais aujourd'hui, qui peut me dire que la quantité de l'or exploité au Niger est de telle, vraiment en tout cas, telle quantité. Voyez-vous Et quelle est la destination Qui le vend où rentre l'argent Quelle est la proportion vraiment dans le budget national Personne ne peut le dire. C'est pourquoi vraiment, euh, moi je trouve que euh, c'est quelque part regrettable. C'est-à-dire que vous souscrivez à un certain nombre d'engagements extérieurs. Maintenant, au moment où on vous oblige vraiment à être transparent, c'est-à-dire à vous soumettre aux mêmes règles que vous avez souscrit, c'est-à-dire vous trouvez que ce n'est pas du tout agréable, vous vous retirez. Après, par la suite, vous revenez. Mais le retour, là, euh, le ministre Barazé vient de le dire, quelque chose qui m'a un peu surpris, mm. <laughs> ce n'est pas vraiment, en tout cas, par gaieté de cœur. il y a des partenaires extérieurs qui conditionnent souvent leur aide et leur appui vraiment par des questions vraiment de transparence. Par exemple, l'ITU aujourd'hui. Le Niger s'est retiré hier, le Niger est revenu. Pourquoi selon vous Mais moi, personnellement, si vous me demandez, je ne connais, suis pas dans le secret de la chose, mais c'est que quelque part, le Niger a été contraint vraiment en tout cas, euh, d'être transparent. Et tant que vous n'êtes pas transparent aujourd'hui dans l'environnement international, vous ne pouvez pas jouir d'un certain nombre d'avantages, mm, surtout du côté des organisations internationales. Euh, Rufai Dandoua moi, je pense que. Quel est votre point de euh, vue autour de cette question, de ce retour Sidik a dit quelque chose qui est, qui est tellement important quand il a dit personne n'est transparent et tant euh, avec les, les, institutions internationales, tant avec les, les, grandes firmes internationales ou même avec nos, nos, acteurs ici. Aujourd'hui, qui s'occupe de cet aspect au Niger, par exemple C'est le rotable. Mais au-delà au -delà, au du rotable, quand vous enlevez le rotable, qui sait ce qui se passe Combien de personnes savent ce que c'est que les tuer au Niger Combien de personnes savent ce que font, ce que fait rotable au Niger vous voyez, on, est dans, un cercle où seuls ceux qui sont dedans comprennent ce qui se passe. Il y a les gouvernants d'un côté, il y a les acteurs de la société civile eh, qui sont dans le secteur et qui, à la fin aussi, ne font que s'enrichir. Dans, très bien dans, ce, domaine. Aujourd'hui, est-ce que, par exemple, le ROTA peut contraindre l'État du Niger euh, à être transparent non, parce que quelque part aussi, quand on, quand on mène des, investigations, on va se rendre compte que quelque part, ces acteurs de la société civile aussi ne sont pas clean. Mm. Donc, on est dans, cette situation où aujourd'hui, c'est comme euh, le, premier sujet qu'on a traité, la politique, on se rend compte qu'il n'y a que les hommes politiques qui, qui, s'y intéressent. Aujourd'hui, la jeunesse, tu, vas, tu, vas, tu vas parler à un jeune, il dit, je m'en fous. Même la politique à plus forte raison, par exemple, et sur une question de transparence, sur, mhm. l'exploitation, par exemple, du pétrole nigérien, sur l'exploitation de, l'uranium du, Niger, qui, de, l'indépendance à aujourd'hui, mhm. n'a pas servi pour grand-chose au Niger. Où passe l'argent Moi, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, j'étais parti sur le site de, de l'or de Samira. J'ai mhm. fait, j'ai fait, et on a fait une enquête. Mais à part ceux qui sont dedans, qui bénéficient de l'ordre de Samira euh, Sidi Kali, vous voulez. Euh, presque, personne. Oui, c'est pour rejoindre un peu mon petit frère euh, Rufai. Hmm. vous savez, cette affaire de transparence-là, c'est-à-dire que si on essaie vraiment de la tourner et de la retourner, c'est-à-dire quelque part, l'État du Niger des victimes. Voyez-vous, par exemple, tout à l'heure, Hussein a parlé du pétrole. Hmm. Vous prenez le cas du pétrole, par exemple, avec les Chinois je suis convaincu, et je le sais, je parle en connaissance de cause, que l'État du Niger est totalement grugé aujourd'hui dans l'exploitation du pétrole. À la date d'aujourd'hui, euh, les chiffres montrent que euh, l'État du Niger est, servi largement en dessous de ce qui a été arrêté hein, sur le plan contractuel. Et vous savez, partout dans le monde, là où il passe, les Chinois ne sont pas des enfants de cœur. C'est-à-dire que tant que vous ne maîtrisez pas, nous prenons le cas de la SORAS, une société aujourd'hui qui a l'obligation normalement d'assurer ce qu'on appelle le transfert de technologie. C'est-à-dire c'est une société dans laquelle les Nigériens doivent à long terme apprendre à manipuler les appareils, les mêmes appareils qui comptent. C'est-à-dire les mêmes appareils qui vous donnent la quantité de pétrole exploité, les mêmes appareils qui vous donnent les statistiques vraiment des, produits vendus et ces mêmes appareils aujourd'hui sont configurés en chinois. Et ils ne sont pas nombreux, les Nigériens, à maîtriser parce qu'il y a des cloisons dans lesquelles les Nigériens ne peuvent pas accéder. Maintenant, le brut qui quitte Agadem pour venir jusqu'à la Soraz, mm. aujourd'hui, qui peut me dire qui est le Nigérien qui peut me dire avec exactitude, voilà la quantité qui sort d'Agadam pour venir ici, voilà les différents produits. Certains parlent même de, certains produits, des sous-produits qui sont aujourd'hui développés là-bas et qui ne sont pas aujourd'hui, qui ne tombent pas dans le compte du Niger. Donc c'est pour vous dire que cette affaire, le Niger même en est victime. Donc il va falloir que vraiment, en tout cas, cette affaire de transparence-là, la comprendre, vraiment, et l'accepter avec beaucoup de responsabilité et beaucoup d'attention. Et c'est pour ça que pour gruger les Nigériens, on dit que tout est technique tout est technique au Niger pour que la, grande masse n'ait pas accès aux informations en fin de compte. Mais il y a des Nigériens techniciens. mais ils sont combien C'est ça le problème. Bien, nous passons au sport. Je le disais, en sport, le Niger s'apprête à accueillir bientôt, le 2 février prochain, la Coupe africaine des nations de football des moins de 20 ans, Cannes U20. Ce sera la première fois que le pays accueille euh, une compétition euh, de, de ce genre. Mercredi passé, l'équipe du Niger a fait ses preuves en match amical face au Ghana. Euh, score final 2 buts à 0 en faveur du Niger. Euh, c'était euh, à l'issue des épreuves, de, en tout cas des pénalties, des buts marqués sur pénalty. Rufai Dandoua, journaliste, on va dire et sportif. nous commençons par, par vous. Quelle est votre appréciation des performances de ces joueurs du Niger et leur chance, en tout cas, de, de pouvoir remporter, pourquoi pas, ce tournoi euh, d'habitude, quand vous organisez des compétitions à, domicile, on, pense surtout pour les, pays qui ont un niveau élevé dans le domaine, et on pense que vous avez les chances et peut-être pas pour gagner, mais pour être dans, les, dans, les, dans, les, dans le dernier carré. Donc, être dans le dernier carré, par exemple, suppose que le Niger sera participé à la Coupe du Monde. C'est tout le, le, mal qu'on peut souhaiter au Niger, mm. être dans le dernier carré, donc jouer les demi-finales. Mm. Là, ça va nous permettre de jouer pour la première fois dans la catégorie, puisqu'on avait joué dans la catégorie inférieure la Coupe du Monde en Inde, vous vous rappelez. Et si on se qualifie pour les demi-finales, on, va le faire, on, le souhaite. Mais le problème qui, se pose, c'est quoi euh, Le problème au Niger, tous les problèmes se, recoupent et se ressemblent. Quoi. Moi, aujourd'hui, vous demandez à. Euh, vous, vous, demandez 100 Nigériens, 95 ne savent pas qu'il y a la Coupe d'Afrique au Niger. Mm-hmm. C'est ça le problème. C'est le même problème qu'on a évoqué tout à l'heure sur les, industries extractives, sur la politique qui, qui, qui, qui, qui, qui est aux mains des politiciens. Aujourd'hui, moi, quand vous me demandez, j'ai comme l'impression que c'est vrai, on a eu la, la, Coupe d'Afrique qui, qui, qui n'est pas, qui est mal organisée parce qu'on ne sait même pas où en sont les, les préparatifs. Tu as comme l'impression que c'est en train d'être géré par le ministère et la fédération qui, à la fin, vont bouffer le, peu d'argent qu'il y a et, à la fin, il y aura juste euh, quelques mois. ce n'est que ça. Moi, quand j'ai regardé le, ministre la dernière fois et le président de la FENIFOOT en train de, de, faire une conférence de presse, connaissant le milieu, connaissant comment ils sont, ça m'a fait rire. J'ai vu juste des gens qui sont là qui, à la fin, vont bouffer. Mais là, il s'agit des, justement. Rufai, si vous devez porter une, une, appréciation sur les performances des joueurs qui vont représenter le Niger. Vous savez, c'est bon de gagner les matchs amicaux, mais ça, ça, ça, ça, ça, ça, ce n'est pas tout. Vous pouvez avoir fait des, des, des, des, belles séries aux matchs amicaux, gagner tous vos matchs amicaux et venir le jour des de compétitions n'est pas. C'est pour ça que je vous. C'est quoi la différence Pourquoi La différence, c'est que la compétition et un match amical, c'est différent. C'est pour ça que je vous dis, tout le mal qu'on peut souhaiter à, euh, au Niger, c'est de se qualifier au moins en demi-finale. Pourquoi Avec la chance qu'on reçoit. Lorsque vous recevez à, euh, euh, une compétition ou un match à domicile, c'est que vous avez l'avantage, par exemple, du public, vous avez l'avantage du, du, stade, vous avez aussi l'avantage inconsciemment de l'arbitrage qui peut influer aussi sur les sur le résultat. Pas, pas, pas totalement, mais l'arbitre a inconsciemment, il peut vous accorder des, petites faveurs. Mais il ne faut pas se, se, cantonner à ça. Il faut penser à faire de belles performances. Et je pense que les, les, joueurs coachés par euh, coach euh, Soumaïla mm. et sont dans de bonnes mains. C'est un monsieur à qui on, on, a beaucoup de respect, qui a fait de belles choses. Mm. Et je pense qu'il peut les amener loin et surtout le mal qu'on peut le souhaiter. Sidi Kali, vous êtes aussi sportif hein, Non, euh, moi je pratique le sport, mais le football, j'en connais pas grand-chose, il faut le dire. Mais quand même, l'aspect qui m'intéresse beaucoup ici, c'est surtout euh, l'aspect organisationnel mm. et l'aspect marketing pour notre pays. Vous savez, les deux aspects sont liés. Si vous organisez très bien, mm. si vraiment les pays étrangers qui sont accueillis sont très bien accueillis, si les joueurs sont traités de façon vraiment, en tout cas, élégante, si notre pays est à la hauteur, vraiment, en tout cas, de cette organisation, c'est que quelque part, l'image du pays, c'est là, c'est ça qu'on appelle le marketing. Mm. Mais le problème, c'est qu'on assiste assez souvent à des situations vraiment, en tout cas, regrettables ici au Niger. Quoi, par exemple Par exemple, quand il y a vraiment, en tout cas, un enjeu financier. Surtout quand il y a de l'argent quelque part dans l'air, le Nigérien perd les pédales et du coup, il devient vraiment fou devant l'argent. Vous savez, c'est ça notre maladie aussi. Tout ce que vous voyez, que ce soit du côté politique, que ce soit du, euh, du côté des sportifs, que ce soit du côté de la société civile, que ce soit du côté... Tout le monde a un problème d'argent. Aujourd'hui, Regardez, hier, quand j'ai écouté le ministre de la Jeunesse et des Sports, euh, en train, vraiment avec le, président de la FENFOOT, affichant une certaine vraiment cohésion, une certaine sérénité, une certaine complicité, en train de parler. Alors que hier, seulement dans ce même studio, on est en train de débattre de, vraiment, en tout cas, du conflit, vraiment, en tout cas, grotesque, du conflit énorme qui est en train vraiment de caractériser ce milieu-là. Moi, je dis, mais quelque part, ils sont terribles, ces gens-là. Aujourd'hui. Mais c'est quand même bien. De, le ministre m'a parlé de 1,3 milliard qui sont vraiment injectés dans cette affaire. Et même bientôt, il y aura des centaines des millions qui sont décaissés. Eh bien, moi, ce que je veux, c'est quoi Au-delà du ministre de la foot et d'autres, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'État du Niger. Mhm. Faites très attention, parce que là, j'attire l'attention du chef de l'État. Que toutes les dispositions soient prises. C'est-à-dire, au-delà des personnes de Casque et de Pelé, justement, que le Niger soit vraiment gagnant. Parce que si jamais dans l'organisation, quelque chose vraiment, en tout cas, d'anormal se passe, c'est-à-dire une attitude malsaine, ou mm. bien, par exemple, quelques détournements, euh, Rafael a dit, la Coupe du Monde en Russie. J'arrive, s'il vous plaît, c'est une information que je vous donne. Avant-hier, j'ai causé avec quelqu'un. Mm. On m'a dit que trois mois, quatre mois après la Coupe du Monde, il y a des joueurs qui n'ont pas reçu leur pécule. Ça veut dire quoi, ça, cette histoire-là mm. Vous pensez qu'aujourd'hui. Mais c'est pourquoi j'interpelle le chef de l'État, qui a vraiment, en tout cas, toujours soutenu le football, mm. j'en connais quelque chose, qu'il prenne toutes les dispositions pour qu'à la à la fin vraiment en tout cas de cette euh, de cette compétition là qu'il ait une évaluation et que si quelqu'un est responsable vraiment en tout cas d'un raté que vraiment le coupé tombe directement sur sa tête. Vous Nissa Bon ben j'ai suivi un peu euh, euh, une analyse de mon ami Kambe Gerba mhm. dans le journal du matin de 6h45 où, bon, il a expliqué, il a montré que c'est l'occasion pour le Niger de s'affirmer, que déjà, ils ont, ils ont montré qu'ils sont capables parce qu'ils ont gagné un match amical contre le Ghana. <laughs> Mais moi, je, souhaite que le Niger gagne. En tout cas, qu'on puisse s'affirmer à arriver jusqu'à un certain niveau. Dans le commentaire qu'il a eu à faire, il a cité deux pays, le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui sont des ténors amateurs de football. Je ne sais pas quelles sont les dispositions qui ont été prises pour qu'effectivement on puisse surmonter les obstacles parce que c'est des gros obstacles. Mmh. Gagner le Nigeria, c'est pas parce que c'est chez vous que ça se joue que forcément vous êtes en mesure de remporter. Ce n'est pas évident. Est-ce que le travail a été fait en amont pour que Prions, euh, le bon Dieu pour qu'on s'en sorte. Euh, s'il vous plaît, nous passons au dernier sujet, sinon nous l'aurons raté. C'est l'investiture euh, en République démocratique hier du, tout nouveau président Félix Tshisekedi. C'est la première fois, en tout cas, qu'une passation légale de pouvoir a lieu dans ce pays de Patrice Lumumba. À la cérémonie d'investiture, Félix Tshisekedi a déclaré, je cite, Nous ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre nous honorons un Congo réconcilié. Fin de citation. Alors rapidement, Hussein Nissa, comment vous analysez cette déclaration du nouveau président Félix Tshisekedi. on sait un peu. Hein, moi, honnêtement, honnêtement, moi, c'est l'infantilisation des Africains. Quand j'ai vu comment le processus s'est déroulé, quand euh, euh, finalement, d'abord l'Union africaine qui dit il faut recompter, ensuite l'Union européenne qui dit il faut recompter, et par la suite qui disent ils reconnaissent au moment où la Cour constitutionnelle, parce qu'ils ont même demandé à la Cour constitutionnelle d'arrêter le processus jusqu'à ce qu'il y ait recomptage des voix. Bon, il a fait son show. On sait bien évidemment que il est président, certes, aujourd'hui, à partir du moment où il a été investi, mais que de l'autre côté, la, réalité du gouvernement, ce n'est pas lui qui va détenir, bien évidemment. Vous êtes euh, convaincu, c'est qui alors non, mais parce que c'est de l'autre côté, c'est un régime euh, où c'est carrément l'Assemblée contrôlée par le président soctan mm. et, Joseph Désiré Kabila. Mm. Ça veut dire qu'il va être dans une situation de cohabitation. Et c'est pour ça qu'il essaye de, de, de, de, comment vais-je dire, d'ouvrir les vannes pour dire je suis rassembleur et tout et tout, mais il faut attendre de voir. Sidikali Moi, je pense que dans ce jeu-là, eh, il faut retenir deux choses. Lesquelles La maturité, vraiment, en tout cas, du peuple africain, désormais, surtout des <laughs> élites africaines. Monsieur Kabila est un jeune chef d'État. C'est un leader vraiment, en tout cas, des régions de Grand Lac. Et ce monsieur a montré qu'un chef d'État africain peut s'assumer et refuser le dictat de l'Occident en déterminant, en élaborant sa propre stratégie et en déterminant sa politique. Tout l'Occident s'est emballé vraiment contre ce monsieur pour que le pouvoir soit remis à ce jeune commerçant, M. Faïdou, qui a été coopté par l'Occident, préparé et envoyé à trois mois seulement des élections. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a vu Il a très bien compris ce qui se passe et maintenant, lui, il a utilisé le plan B. Le plan B, c'est quoi C'est vraiment, en tout cas, de présenter vraiment, en tout cas, son propre candidat qu'il a d'ailleurs relégué en troisième position exprès pour ne pas qu'il soit un opposant. Hmm. Maintenant, et il a donné vraiment au perdant le pouvoir ah, je jouant sur vraiment des chiffres. Et c'est ça, aujourd'hui, les Africains ont trouvé Donc, pour Vous, c'est une maturité politique. Non, c'est une maturité politique d'abord pour Kabila. Kabila a refusé le dictat parce que les Occidentaux veulent aujourd'hui placer un homme fantôme, c'est-à-dire un homme vraiment, en tout cas, de paille au Congo pour vraiment exploiter les richesses du Congo. Ça, il a refusé et c'est une très bonne chose. Deuxièmement, M. Mm. Tshisekedi est dans son rôle aujourd'hui parce qu'il y a un plan qui est là qui fait que, d'abord, dans un premier temps, c'est-à-dire euh, euh, organiser les élections gagner les élections, quelle que soit vraiment sa forme, mais maintenant par la suite sortir et vraiment tenir un langage conciliateur, et maintenant dire à vraiment l'opposition, vraiment venez, on va travailler ensemble. Parce que ça, c'est une attitude normale de quelqu'un qui a gagné, mais dans des conditions qui ne sont pas assez transparentes. Mais en ce qui concerne M. Fayou, moi je pense qu'il il n'a pas été un bon perdant. Franchement, il aurait dû, pour la première fois, D'ailleurs, je n'aurais pas souhaité que cela arrive au Niger, dans mon propre pays. Mm. Mais à ce qui concerne le Congo, quand même, je suis totalement aujourd'hui d'accord que euh, vraiment, M. Euh, euh, Tshisekedi prenne le pouvoir et je le félicite, franchement. et, vous avez une minute. Tu, ne peux pas être un mauvais parent lorsque tu as gagné les élections. Ça, ça je suis en totale contradiction avec mon grand frère, mon, Deuxième chose, il a parlé de l'infantilisation. Mm. Et, il a dit quelque chose. Il a dit que Kabila, ah non, Kabila a, mis son candidat en troisième position. Vous savez, beaucoup. Euh, euh, moi, ce que je comprends, c'est que le salut de l'Afrique, ce n'est pas pour demain. Lorsque on voit, on, voit des, euh, une fraude à grande échelle, lorsqu'on va imposer, on a parlé de ça en début de, démission. Lorsqu'on va imposer, c'est lui qui n'a pas gagné, coûte que coûte, c'est que le salut de l'Afrique n'est pas pour demain. Et eh, eh, eh, comment, comment l'a dit, il n'y a pas d'élection en Afrique. Vraiment, il n'y a pas d'élection en Afrique. Écoutez, il y, a, un aspect qu'il faut reconnaître. C'est-à-dire que, personnellement, si je demande. 5 secondes. Oui, 5 secondes. Moi, personnellement, je suis contre certaines élections et certains régimes. Voyez-vous Aujourd'hui, si le régime c'est-à-dire, vous choisissez un homme qui se met exclusivement au service, de l'Occident, c'est-à-dire qui jette en pâture son peuple, qui abandonne ses principes régaliens vraiment d'État indépendant pour vraiment permettre à l'Occident de venir vraiment, en tout cas... Fin du forum de ce soir, euh, nous étions en compagnie... Désolé, le temps est fini. Nous étions en compagnie de Hussein Issa, journaliste indépendant, Sidi Kali, analyste politique, et Rufai Dandoua, journaliste indépendant. Nous n'aurons pas, en tout cas, euh, tout le temps euh, pour, pour finir. Présentation à la sainte cuisine Amadou à la technique ISA. Euh, Issa. Euh, rendez-vous samedi et dimanche à partir de 17h15 pour les forums en Hausa et en Zarma. Bonsoir.